gën a xuus dugg ci biir di daaneel wala lan lay def léegi dara daal ma gën a fi la fi la daaneel bi tàmbalee xam ne moom mooy Seydina léegi euh, dañuy dugg nag daal di ndax espace yi ci biir la des wala dara du leen ci ëmp nag dinañ leen toppal tamit euh, image yooyu yëpp Mbaye man Mbaye dafa feebar. bye you. Uh, wala ba xam fii la ñuy yem ñu dox ak waa Kadior TV dara mu Alors, nous sommes ce matin présents ici dans la zone de Mbourkat en tant qu'administration qui agit dans le cadre de ses missions de service public, précisément euh, dans le contrôle de l'occupation des sols. Nous tous savons que dans cette partie de Thiès dénommée Mbourkat, au fil des années, alors euh, des irrégularités euh, notoires et notées se sont accumulés, se sont euh, vraiment accumulés, hein, et il fallait alors donc euh, déployer une action publique allant dans le sens de remettre l'envers à l'endroit. Pour rappel, en 2006, la commune avait initié un lotissement sur le domaine national lequel lotissement avait respecté toute la procédure en la matière et in fine une autorisation de lotir avait été délivrée. Mais au bout de quelque temps, l'on s'est rendu compte qu'effectivement ce lotissement-là a empiété dans la forêt classée. Je dois préciser que la consistance globale de ce lotissement de 2006 est estimé à environ 82 hectares. Et dans ces 82 hectares, environ 67 hectares ont empiété dans la forêt classée. Ce faisant, en décembre 2017, euh, à l'occasion d'une cérémonie de lancement des travaux de KMS3, son Excellence, le chef de l'État, euh, approché par les membres d'un collectif institué à cet effet avaient donc promis le déclassement de la zone à l'effet de régulariser ceux qui étaient affectataires du lotissement rappelé Supra et qui, du fait qu'ils s'étaient installés dans la forêt classée, n'avaient pas possibilité d'accéder à une autorisation de construire. C'était donc pour accompagner effectivement que le président avait estimé devoir régulariser ces occupants-là. Malheureusement, beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs ont profité de cette promesse, se sont engouffrés dans cette brèche pour continuer à occuper le reste de la forêt classée. Il fallait donc, nous, en tant qu'administration, alors se déterminer et d'un pas décider véritablement mettre l'envers à l'endroit. Et durant tout ce temps, les services de l'administration, notamment la DESCOS, n'ont cessé de se déployer pour signifier à qui doit l'entendre que cette zone-ci n'est pas encore propre à toute forme de construction. Des sommations ont été servies. Nous-mêmes, dans le cadre de la commission que nous avons instituée, sur instruction du gouverneur, qui avait lui-même répercuté celle du chef de l'État, nous avons eu à faire euh, l'état des lieux. Nous avons pu déterminer, euh, en tout cas, les présences régulières et celles qui ne le sont pas. Nous n'avons pas également non plus cessé, en tout cas de, sortir, de diffuser des communiqués allant dans le sens de rappeler le corpus légal qui encadre euh, toutes les matières afférentes euh, à l'occupation du sol, à la construction, etc., etc. Mais les gens ont toujours fait comme s'ils n'ont jamais rien entendu et ils ont toujours fait comme ils n'ont jamais rien vu. À partir de ce moment, nous, nous devons vraiment, comme je l'ai indiqué, d'un pas décider intervenir sur le terrain et procéder, n'est-ce pas, aux démolitions qui s'imposent. Le décret serait-il éminent, le décret de déclassification Je ne saurais le dire. Je ne pense pas être qualifié, en tout cas pour me prononcer là-dessus, n'étant pas, comme je l'ai indiqué, le dépositaire d'une telle décision. Comme tout le monde, nous attendons. C'est une promesse. Monsieur le, le nombre de d'immeubles irréguliers euh, disons, un travail avait été demandé au collectif qui nous est revenu avec une estimation de 2500. Mais je m'empresse d'ajouter qu'il nous faut revoir justement ces statistiques-là. De toute façon, l'action de ce matin que vous avez vu se déployer n'est qu'un début. Évidemment, d'autres actions viendront s'y greffer, allant dans le sens d'approfondir justement ce diagnostic-là construction irrégulière sera détruite. Vous l'avez dit, ce qui est irrégulier reste irrégulier. Nous sommes dans un pays où tous les secteurs de la vie sont normés. On ne peut pas concevoir que des gens se, mettent véritablement à construire à U et à DIA. Hein, en total irrespect du dispositif légal qui encadre justement cette matière. On ne saurait justement continuer à le, tolérer. déplacement waaw administration bi tey dajaloo na fi ànd ak euh, waa Descos le colonel depuis démb wax dëgg yàlla ñu nekk ci teew nag fii ci zone Mbour 4 tey euh, di jëmmal li nga xam ni moom moo nekk waru garam ci saytu naka la ñuy occuper espace bi nga xam ni moom ñun ñëpp dañ ko bokk te war ko organiser li ci nekk nag mooy li xew mbuurkat umpul kenn ndax ay weer a ngi nii ay at a ngi nii li nga xam ni euh, ñu ngi koy utiliser espace bi dem ba jéggi dayo ci espace boo xam ne nii yoon dafa dogal ni kenn waru fi tabax ndax forêt bu ñu classé la forêt bu ñu classé nag boo ko déggee mooy que ni kenn waru faa mën a tabax lenn loo xam ne ni ay dëkkuwaay lay doon tant que déclassé wuñ ko waaye ma fàttali ni en 2006 commune bi dafa defoon benn lotissement lotissement bi bañ ko dee def jaarale nañ ko fa ñuy jaarale bépp lotissement ba am ci autorisation de lotir waaye malheureusement bañ ca waxtaan ca jamono jooja dañoo xamul woon ni ci biir partie lotissement bi nga xam ni autorisé nañ ko lu ci gën a bari ci lotissement boobu mi ngi ci biir forêt classée bi ba ñu demee ba xam ko nag ba saytu ko ba gis ko. évidemment euh, ña nga xamni ni ñoo dëkk ci parti bi nga xamni mom mo dugg ci biir forêt classée bi amone nak wax dëgg yàlla euh, problème pour am autorisation de construire parce que autorisation construire service ñoo joxé ak collectivité territoriale mais té ñom seen bopp xamnañ ni fo xamni ni forêt classée la autorisation mëna fa am ñoñu donc nekkoon ci ñakaré parce que administration jox na leen këyit waaye ginnaaw ba mu leen joxee këyit mënuñu tabax parce que simplement ñu ngi ci forêt classée nous profitons de en tant que collectif bi président de la euh, président de la république a lancé les euh, travaux KMS 3 c'était en décembre 2017 alors président comme dafa le aussi dans sa politique publique alors toujours dafay prendre en charge euh, véritablement l'aspect social mu lolo eu amul problème dina instruire monsieur le gouverneur ñu naka lañuy enclencher procédure pour mën déclasser lolu ba man leen permettre ngeen am seen document pour mën pour mën tabax waaye nak dañu nek Sénégal dafa am ño xam dañuy gamu am ño xam dañuy raas dem ba déggé lolu kenn ku ne pour ñëw bëgg commencer nak yow tamit di tabax pour que buñu aggé ca déclassement nak ñu man la ci bolé té ñoñu ñi koy def du Cees rek dañuy joggé fune ne Ndakaaroog fépp la ñëw xawma dañ leen di jaay ay terrain xawma naka la demee commencé tabax. ça amuñu autorisation police. ñu fee am euh, autorisation ça c'est c'est pas possible nous sommes dans une forêt classée il n'est donné à personne la possibilité d'avoir une autorisation de construire donc nak bu ngeen gissé liko waral liko ko ci tali bi ba ba ngay dem ci champ de champ de tir bu bu yag ba gaay goudi lañuy jog dimanche lañuy jog di tabax pour bëgg wër wërlo ak euh, les services dédiés ku ci melni ay descos ñu ni nak lolu wax deug yalla alors ñu ko bayyi mu continuer c'est vrai que booba léegi kenn Togul, mais boko sék ak ño xamni ni aussi c'est des infracteurs goudi la ñuy alors alors da fay poser problème mais liñu bëgg woné tay fessel ko deug moy que volonté bi nga xamni tay pastif hein bi nga xamni am nañ ko tay pour que lolu dak. que lepp lo xamni daf dañ ko constater mu nek luy soxé mais ñu jubbanti ko ba tek ko ci yoon mu mel na mu war a mel. laata ngeen am yaakaar njiitu réew mi jël décret bi nga xam ne mooy maye ñu. loolu moom cëggal guyam la waa ñun mënuñ ci wax ñun ay ndaw lañ dañ ñuy defloo rek ñu def waaw mais li nga xam ne daal war nañ koo wax te yëkkati ko ci kaw ñëpp dégg ko mooy dëkk bi dañ koo bokk suuf si dañ koo bokk te Sénégal nekk na dëkk boo xam ne nii amul secteur booy jël te loi waxu ci réglement waxu ci donc mi ngi mel ni ki nga xam ni da ngaa dawal sa oto.

ce qu'on def parce que ci yoon lañ ko teg. ñaata construction ngeen fas yéene. waaw loolu xam naa ni dinaa leen euh, jox après le colonel hein va bu ko dina ñëw ak ci les modalités pratiques yi nga xam ci opération yi ñu ñu commencé hein. merci merci beaucoup colonel à vous. déglu ki nga xam ne moom le colonel bi. voilà merci beaucoup je suis le colonel Papa Sabouri Ndiaye je suis le directeur de la DESCOS la bah, direction de la surveillance et des contrôles du sol. Colonel, vous pouvez revenir sur euh, l'opération qui vous amène aujourd'hui à Bourg 4. Voilà, sans trop répéter ce que le préfet a bien dit de manière assez exhaustive, je voudrais simplement rappeler que l'occupation du sol est régie par des textes qui sont en vigueur au niveau du Sénégal, notamment le code de l'urbanisme. Après avoir rappelé ces textes, je voudrais simplement, avant de terminer, vous dire l'action qui régit le fonctionnement de la DESCOS en pareille matière. Donc, pour ce qui est de la réglementation, le Code de l'urbanisme dans sa partie législative, à partir des, articles 80 jusqu'à 85, punit et sanctionne toute personne qui construit sans autorisation de construire. Et au-delà de cela, nul ne peut entreprendre une construction s'il n'en a pas un titre de propriété. Et on n'a pas l'autorisation de construire. Et le service chargé du contrôle, en son article 85, est très bien clair que l'autorité en charge de l'administration pour démolir toute construction érigée en violation de ces articles. C'est le cas aujourd'hui, comme vous avez eu à le constater. Le préfet l'a assez bien dit, nous sommes dans une forêt classée. Mais simplement, on a constaté qu'à chaque fois que l'État du Sénégal a des projets ambitieux pour ces populations, il y a des gens très véreux qui font la course contre la montre pour s'accaparer ce qui appartient à tout le monde. Et cela est inadmissible. Ça fait plus de deux ans que j'ai détaché ici une équipe dépendant de la brigade zonale de basée à Mour. Ces gens sont constamment ici, tout le temps. Mais comme le code est assez muet en termes de contrôle de nuit, ce qu'il faudrait peut-être revoir avec les nouvelles dispositions qui sont en train d'être édifiées dans le code de l'urbanisme, on est un peu absent la nuit. Et c'est pendant ces moments que des gens viennent occuper et construire. Mais à tout cela, il faudrait constater que quand quelqu'un construit, on a la possibilité. Quand l'aspect sensibilisation, quand l'aspect information est alerte ne répondent plus aux, normes. Quand toutes ces considérations ne sont pas respectées, dans l'action de la DESCOS, nous avons ce qu'on appelle une action curative. Il faut soigner la plaie. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour rappel, simplement, je vais vous dire que depuis le séjour de la DESCOS, il y a un an et demi dans ce site, plus de 250 sommations d'arrêt de travaux ont été servies à ces populations. Vous allez voir les pans de murs Partout c'est écrit arrêt Et malgré tout, les gens continuent à construire. Et cela doit cesser. Car au-delà même de l'infraction liée à la construction autorisation, ces gens peuvent être arrêtés, mis en prison, leur matériel saisi et leurs ouvrages démolis. Et on ne va pas... C'est irréversible. C'est irréversible. On a même tardé à le faire. Mais ça doit être au jour le jour. Le code, il est très clair. Quand on somme quelqu'un d'arrêter, il continue, quel qu'en soit l'ouvrage qu'il est en train de bâtir, la loi nous autorise à démolir. Il faut que ce soit très clair. Selon le collectif, il y a parmi ces bâtiments-là, bâtiments ceux-là qui ne sont pas mentionnés à d'escorte parce qu'ils euh, appartiendraient à de gros bonnets. Vous pouvez répondre sur ces... Je ne saurais le dire. Nous, on ne connaît pas qui est gros bonnet et qui est petit bonnet. Nous, on a des bâtiments en face de nous qu'on contrôle et on donne des sommations aux gens trouvés sur le site. Je pense qu'aujourd'hui, la DESCOS a dépassé le niveau où son action est un peu interrompue ou anéantie par l'influence d'une personne ou bien d'une autorité. Mon colonel, avez-vous les moyens de votre opération mm. Nous sommes là, le tout administratif est là, tous les services techniques sont là, l'État est là. L'État a les mots de sa politique. On a démarré ces opérations maintenant et on va les poursuivre jusqu'à ce que notre mission soit accomplie. Est-ce que c'est toutes, ces constructions qui seront détruites De toutes les façons, les constructions irrégulièrement constatées et pour lesquelles les propriétaires ont été sommés, conformément aux textes en vigueur, seront démolies. Vous en avez pour combien de jours Je ne saurais vous dire, c'est une mission qui commence aujourd'hui. Nous y resterons autant de jours que cela le nécessitera. Un, siège permanent à Thiès Nous le voulons bien. Thiès et n'est pas une distance qui est assez importante nos éléments qui sont en bourg sont tout le temps à Thiès. Mais, comme on dit, on pourrait toujours avoir une antenne pour être au plus près de l'autorité administrative et également des populations de Thiès. Nous y travaillons. J'ai même posé cette problématique à l'autorité, au préfet, au gouverneur, pour qu'on trouve un siège ou mettre un détachement qui sera fixe à même de remplir cette mission. Voilà, demain, vous juste c'est parce que li ñu gisandoo fii tey yéen ñëpp a ko gis ñu yeewu jël suufu état ci forêt classée di ko tabax ci anam yoo xamante ne méngoowul ak li nga xamante ne moom la code de l'urbanisme santaane damay tàmbali sama waxtaan simplement pour xamal leen li nga xamante ne moom la texte yu ëmb ci wàllu réglementation ak wàllu sanction su ma sur ci loolu nag xamal leen aussi li nga xamante mooy suñu taxawaay ci wàllu saytu lépp luy tabax bu ñu def à travers le territoire national code l'urbanisme dafa ne képp kuy tabax war nga am kayit bu amé kayit war nga dem ci service de l'état urbanisme cadastre domaine autorité administrative outil autorisation bu le permettre nga construire sa avenir ak say avenir dom lolou boko defulé defulee fépp tabax ak nu mënti mel ak fu mënti doon descos amna droit bu la joxe sommation

xam ngeen DSCOS du génn guddi code bi mayuñu ko loolu aussi ñu ngi ci def ay jéego pour que disposition ñu mën ko jël ba nga xamante ne même kuréel dinañ mën a jóg pour surveiller. liggéey bi moom dootu leen ci dellu ginnaaw. doon ci dellu ginnaaw commencé nañ ko te mësuñ ci dellu ginnaaw te lii aussi dafa nekk loo xamante ne tàmm nañ ko parce que mooy suñu mission moom la ñu état jagleel dañ ciy dolli sant ñi fi nekk muy autorité administrative chef de service technique seen taxawaay ak seen assistance yaakaar naa ne buñ jógee ci li ku ci nek di ci tirer ay leçon xamné loi amna fi té képp ku tabax war nga am kayitu bu woné ya mom képp ku tabax war nga am autorisation suñu action nak ñaari mbir la yété mooy sensibilisation le seul fait ñuy doxantu ak suñu auto di distribuer ay flyers sensibilisation alerte la bu lolu nak téyé nak dañ nek ci état de droit yoon may nañu nak ñu sanctionné té lolu texte yee ko wax moom la ñuy doxal. liggéey bi Thiès ñaata fan la leen fas yéene jëlal. mënuñu ko xam xam nañ kañ ñuy tàmbale mais xam nañ kañ ñuy eggali. mais lépp luy tabax da ngeen koy daal. mais lépp lu fi nekk te tegul ci yoon incha allahu rabi am nañu moyen pour dindi ko te dañ ko dindi. merci merci wasalaam. Papa